le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le forum de la presse du studio Kalangu. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité sont la déclaration de l'opposition politique du lundi 29 juin 2020, le remaniement technique du gouvernement et l'investiture du président du parti Génération Doubara PJP, le général Jibo Salou. Enfin, le délai accordé pour renouveler le permis de conduire. Pour décrypter ces sujets, nous recevons Maimouna Diado, journaliste à la radio et télévision en Tambara. Bonsoir Maimouna. Bonsoir Fatih. Amadou Garé, journaliste au quotidien La Nation. Bonsoir Garé. Bonsoir. Et Ousseini Issa, journaliste freelance. Ousseini, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Fatih Zakari. Bienvenue à toutes et à tous dans ce forum de la presse de ce vendredi 3 juillet 2020. Nous débutons ce forum par le remaniement technique du gouvernement intervenu ce lundi 29 juin et qui a vu le départ du ministre de l'Intérieur. Comment donc faut-il comprendre ce remaniement Je commence par vous, Monsieur Gary. Oui, ce remaniement s'explique déjà par le fait que, eh, vous savez, l'opposition politique avait de, de, tout temps dit que le ministre de l'Intérieur ne doit pas rester à son poste puisque il est, c'est un potentiel candidat à l'élection présidentielle. Bien sûr, rien ne l'y obligeait parce que selon les textes, c'est-à-dire qu'il faut, il faut déposer le, dossier au niveau de la Cour constitutionnelle. Le jour où la Cour constitutionnelle valide, c'est en ce moment que vous pouvez démissionner. Mais je pense que c'est une très bonne chose le fait que le ministre de l'Intérieur ait, dit au président de la République qu'il aimerait se décharger de cette fonction-là pour se consacrer à sa candidature. C'est très bien, ça va permettre de satisfaire une des exigences de l'opposition et de calmer la situation au moins sur ce point-là. De l'autre côté, c'est vrai que euh, ce gouvernement, il était beaucoup attendu par rapport à beaucoup de postes ministériels, mais sa grande particularité, c'est que on a constaté que des ministres qui ont quitté leur formation politiques ont été maintenues au sein du gouvernement, certainement au à raison de certains calculs euh, électoraux et électoralistes, euh, puisque vous savez, les élections, c'est dans, pratiquement dans six mois. Donc, euh, certainement qu'il y a eu le souci de préserver certains acquis, de ne pas frustrer certains, qui a fait que, certainement, que l'autorité a décidé de, maintenir certains ministres, malgré qu'ils soient en retour de banc avec leur formation politique, de le mhm. maintenir dans le gouvernement. Mhm. Mais En fait, je rejoins ce que gary vient de dire. certes que c'était bien avant que les Nigériens avaient voulu voir donc ce réaménagement euh, technique euh, survenir euh, avec déjà la, la, candidature de Bazoum pour les élections futures. On devrait donc dès lors que sa candidature était avancée pour les élections de 2021 au présidentielles, on aurait bien voulu voir un réaménagement technique. Mais je pense que comme il n'est pas encore tard, déjà c'est à six mois des élections, nous sommes à six mois des élections élection euh, présidentielle premier tour. Mhm. Et je pense que c'est déjà une bonne idée. Et ça peut calmer également les uns et les autres parce que, comme vous le savez, avant, c'était décrié quand il sortait. On ne savait pas que c'était un ministre de l'Intérieur qui sortait pour aller en mission ou bien mhm. c'est le ministre candidat qui sortait pour aller en mission. Donc, il y a eu tellement de tapage autour donc de cette situation. Mais je pense que depuis lors, bon, les gens se sont un peu calmés parce qu'ils savaient que de toutes les mille manières, euh, il, allait quitter ce poste parce qu'il est candidat. Et j'aurais également voulu que euh, peut-être que ceux aussi qui se sont déjà déclarés candidats et qui se trouvent au sein donc, du gouvernement puissent faire la même chose. Donc voilà, mais bon, c'est un plus aussi euh, c'est un plus pour euh, le peuple nigérien. C'est un plus, ça, ça, montre que réellement les élections, nous sommes en plein dans les préparatifs de ces élections. six mois c'est pas beaucoup, mais on sait que six mois également, ça reste. Hein. et euh, on ne peut que souhaiter donc euh, bonne chance à tous ces candidats et également que euh, ça va suivre petit à petit. Il y aura des réaménagements techniques qui vont survenir parce que <laughs> nous savons également que d'autres partis politiques qui sont également, dont leurs candidats sont des ministres, peuvent peuvent également euh, être déclarés des candidats potentiels pour aller à ces élections. Donc il y aura également euh, des réaménagements techniques. Mais comme l'a dit Garé également, euh, il y a d'autres ministres qui ont été retenus. On a vu le cas de euh, Abouba Bouchard là, qui, revient au niveau donc qui était qui a quitté le parti euh, de, de, de, de Jamouria, pour un autre parti. Mais bon, qui a été quand même euh, retenu. Bon, c'est aussi le jeu politique, comme on peut le dire. on, ne peut pas, on ne peut pas dire, on ne peut pas savoir ce que cache donc ce jeu politique, parce que nous ne sommes pas dans ce jeu politique, nous ne sommes que des observateurs. <laughs> voilà. Alors, Hussein Issa, comment donc euh, faut-il comprendre ce, ce, remaniement de votre côté C'est à quoi on a assisté pratiquement depuis 2016. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on s'attend à ce que on revoit un peu les choses, parce que ces ministres-là, ils n'ont pas de mandat. C'est pas qu'ils sont allés devant le peuple pour dire je, vais chercher poste de tel ministre, tel, ministre, ministère, tel ministère. C'est des gens qui ont été nommés. Au bout d'un certain temps, il y a l'usure. Il y a beaucoup de ministres aujourd'hui qui sont là, c'est la routine. Ils servent absolument à rien du tout. Normalement, quand ça ne va pas, il faut changer en profondeur. Il ne faut pas se contenter juste de faire des permutations. Un tel, le poste là pour aller à, euh, euh, un tel poste, ainsi de suite. Mm. Ce n'est pas ça que les attend. attendent. Et on a comme l'impression que c'est pas comme on a comme l'impression. Même ça, c'est le jeu, c'est ce qui est servi au Nigeria. Chaque fois qu'on parle de remaniement, on, se retrouve dans une posture de raménagement où on, on change les postes. Ça change quoi Absolument rien du tout. Moi, je dis, <laughs> ceux qui sont élus, c'est les élus. Mais ceux qui sont nommés là, on peut les dégager. Il y a des gens, il y a des ministres dans le gouvernement qui sont là même euh, euh, au niveau de leur, euh, comment vais dire, leur département, les structures dont ils ont la charge, ces structures-là les ont dénoncées pour dire qu'ils ne valent rien du tout, ils veulent leur, départ. Mais on les maintient. Pourquoi on va maintenir des gens comme ça Non, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Moi, j'ai dit, ça ne sert à rien du tout, ça ne va rien changer. On a changé juste quelques têtes. Euh, bon, il y a deux qui sont arrivés, deux nouveaux ministres, je mhm. crois, qui sont arrivés. Mais ça va changer quoi Absolument rien du tout, rien. Oui, oui, mais ici, quelles seront donc les attentes des, quelles sont les attentes des populations Quelle population <laughs> Quelle population Mais est-ce que les gens se soucient des, attentes des populations C'est ça la question. Est-ce que les gens ils se soucient des attentes Parce que normalement, on doit pouvoir évaluer. Mais il n'y a pas d'évaluation, il n'y a rien. Tu es ministre, tu es ministre pour un mandat. Est-ce que c'est normal ça dans un pays Est-ce que ces gens-là se soucient Moi, je veux directement parler par exemple du ministre des Sports, de la jeunesse. Mais ce, monsieur-là, tous les syndicats, ils ont demandé son départ. Il est toujours là, non Non, moi pour moi, non, ça n'a aucun sens. Il faut mettre fin à ce genre de pratique là parce que ça sert à rien du tout. Quand euh, la personne est inefficace, il faut mettre la personne de côté. Euh, on peut augmenter. Vas-y, mhm. ah, euh, Oui, en fait, moi, ce que je voudrais euh, vraiment ajouter par rapport à ce réaménagement mhm. technique et ce que les populations ou les Nigériens peuvent attendre donc, de ce réaménagement technique, c'est mhm. surtout au niveau donc, du ministère de l'Intérieur, avec l'arrivée de Al-Kash. On pense que peut-être qu'il y aura une solution avec cette situation sécuritaire que nous sommes en train de vivre. Peut-être que lui, sera l'homme qui peut un peu assouplir les choses. Il y aura plus de techniques que de, de, de, paroles. Euh, c'est ça que les Nigériens attendent. Je pense de ce réaménagement technique, il n'y a que ça, que vraiment le ministère de l'Intérieur, en fait, aujourd'hui, qui concerne trop, qui est plus proche de ces Nigériens-là. Parce que c'est euh, le poumon, en fait, de la sécurité. Et, et les, les, les Nigériens veulent voir vraiment concrètement qu'est-ce que ce monsieur aussi peut avoir ou bien peut avoir comme potentiel, peut amener un plus pour le Niger. C'est ça, en fait. <laughs> Monsieur Garé, donc, faut-il donc s'attendre à un grand changement et quelles sont les attentes des populations non, je pense que les attentes de populations... population, ce gouvernement-là, c'est d'abord un gouvernement politique en fait. C'est-à-dire que c'est vrai que le défi, c'était de pouvoir, par exemple, réduire la taille, parce qu'on dit que c'est un gouvernement pléthorique, on l'a toujours dit. C'est trop, 40 et quelques ministères, c'est trop. Mhm. Donc, il a fallu exploser certains ministères pour, faire, pour créer d'autres ministères, pour qu'on mhm. puisse. C'est-à-dire que déjà, dès le début, c'était un gouvernement qui était un gouvernement de partage pour la stabilité politique. Et on est à six mois des élections. Moi, je comprends le souci du gouvernement. C'est-à-dire qu'il mhm. que eh, ne sert à rien de frustrer certains alliés à six mois des élections. Plutôt, ce qu'il faut, c'est essayer de les garder encore dans le Parce qu'il y a beaucoup de partis qui sont au, sein de la mouvance qui ne vont pas présenter le candidat, qui vont soutenir le candidat du PND Saria, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire est-ce que ces gens-là, il faut, il faut réduire la taille du gouvernement, l'amener à 25, quitte à les frustrer et puis à les amener peut-être dans une position où ils vont aller Non, il faut gérer cette situation-là, c'est six mois d'élection, les garder dans le giron du pouvoir pour avoir de meilleures perspectives par rapport aux élections de 2020 et 2021. C'est ça peut-être le souci qui a guidé le maintien de la taille de ce gouvernement-là. Mm, mm, comme les cas sous Mokhtar. <laughs> Ben L'ancien chef de l'État nigérien de février 2010 à avril 2011, le général Salou Jubo a été élu président du parti Justice et Progrès PJP Génération Doubara et investi candidat de ce parti pour l'élection présidentielle de décembre prochain. Qu'est-ce qui explique euh, son retour euh, sur la scène politique d'abord, le pouvoir, c'est intéressant. Ça enivre, comme on dit. Ça loue. Voilà quelqu'un qui a fait neuf mois à la tête de l'État et qui a vu que peut-être que c'était magnifique, c'est super <laughs> d'avoir le pouvoir d'avoir le pouvoir décider de qui, en tout cas de, décider de tout par rapport à, la nation. Mm. il se dit que bon, si euh, neuf mois de transition, c'est un peu, c'est très peu. Qu'est-ce que tu veux faire Ah non, Maintenant, je vais rentrer dans la vie civile, je vais créer un parti politique et je vais aller rencontrer les surfaces des Nigériens, ce qui est tout à fait son droit. Je pense que ceux qui. Ils pensent que peut-être qu'il a une certaine aura qui va faire en sorte qu'en 2020 ou 2021, il puisse avoir en tout cas l'électorat nécessaire pour revenir. Et, euh, euh, en euh, tant que oui, en tant que président de la République démocratiquement élu. Mm-hmm. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Parce que entre prendre les armes mm-hmm. et chasser un président et monter <laughs> et, venir. Par les urnes Oui, oui, par les urnes. Ça, c'est une autre paire de manches. C'est complètement différent. Et je crois qu'il eh, il va se rendre compte que là, il est dans un terrain où tous les coups sont permis. Mhm. Est-ce que vous comprenez C'est-à-dire que là, il n'y a pas de quartier. cest même, même ceux, qui avaient un peu de retenue par rapport à lui, le jour, puisqu'il est rentré dans l'arène, le jour où, par exemple, la campagne électorale va commencer, ah, il va recevoir des coups de, de toutes parts. Par rapport d'abord à la transition qu'il a gérée, n'est-ce pas Et par rapport à ses aptitudes à être président. Ça, c'est clair et net. Il va recevoir les coups de partout. Mhm. Ah, il faut qu'il le sache. Et je pense que c'est, mais c'est déjà courageux de sa part de vouloir partir, euh, en tout cas, à rencontrer les supporters des Nigériens. Mais on verra bien ce qui va se passer en 2020. <laughs> Alors, Hussein Issa, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que Gary vient de moi, je dis qu'il a peut-être l'argent à dépenser. <laughs> Parce que prendre un fusil pour prendre le pouvoir, comme ça, sans adversaire en face, et s'investir dans cette mare, c'est deux choses à part. Il s'est engagé parce que tout simplement, il a goûté les délices du pouvoir. La voiture noire, sirène, tout ça. Il s'est dit que Bon, il a accumulé beaucoup d'argent. Il va voir s'il peut revenir encore parce que c'est tentant. Quand on fait le pouvoir, on, le quitte, on a envie de revenir. Il est dans cette logique-là. Il a créé un parti, c'est bien, c'est son droit. Personne ne peut, comme avait dit, s'opposer à ce qu'il crée un parti à partir du moment où il a décidé de revenir à la vie civile. Mhm. Mais j'ai dit quelque part une chose, c'est que ce que Gary vient de dire, c'est que c'est une marque. À partir du moment où il est civil, là, il faut qu'il se mette dans la tête que les gens vont venir l'entourer parce qu'il y a des dollars à dépenser. Quand ça va finir, les gens vont s'en aller. C'est clair. Il y a d'autres leaders qui, ont, qui, qui, qui, sont passés par là. Je vais parler de ABC, par exemple, où les gens viennent, ils prennent, ils pillent, ça monte. Il va, s'il ne fait pas attention, parce que ce n'est pas évident. Et, et comme avait dit, l'électorat est volatile au Niger, l'électorat nigérien. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de fiabilité, que j'ai telle région, j'ai telle mhm. localité, j'ai telle machin. Non, non, non. Les gens aujourd'hui, chacun se cherche les militants, les électeurs, les, populations, ils cherchent. Vous venez avec votre argent, ils vont prendre. Mais ils ont leur parti. S'il n'a pas compris cela, si ceux qui l'entourent là lui disent que non, non, non, <laughs> il, n'a qu'à lui-même sonder, sonder un peu par lui-même, il n'a qu'à sonder est-ce que je suis populaire ou pas S'il ne le fait pas, moi, j'ai dit, c'est bien beau de voir une foule, une salle remplie mhm. avec des, des, gens qui sont venus parce que ça a toujours été comme ça au niveau. Oui, merci. Ben, voilà. Ils viennent parce qu'ils viennent prendre quelque chose. Une fois qu'ils ont pris là, c'est fini. Voilà ce que j'ai. Même Gado, quelles sont donc les chances du général Salo Jiboua euh, Est-ce qu'il faut s'attendre à un miracle Fatih, le miracle lui-même, il l'a dit. Il dit il croit en Allah. Donc, le miracle, lui aussi, il sait que peut-être il faut la main d'Allah pour faire ce miracle dont il attend. Et ce que les, on oublie trop, c'est que l'histoire revient tout le temps. Les hommes, quand ils sont aux commandes, ils oublient que l'histoire les rattrape. Peut-être que Salou, en se décidant d'être candidat aux élections présidentielles de 2021, ou peut-être qu'il pense qu'il sera, sera le président élu par chance. Peut-être qu'il va dire à ce peuple nigérien ce que l'histoire lui a dit et ce qu'il a fait au moment où il était aux commandes de ce pays. Peut-être qu'il va nous dire où se trouvent les milliards dont on parle de Tangier. Peut-être c'est une occasion aussi. On ne sait pas, on ne sait jamais. Hein. Parce que, en fait, je me dis que l'homme oublie vite. Mais ce, ton entourage n'oublie jamais ce que vous avez fait au niveau, au moment où vous vous étiez aux commandes. Le général Salou a vite fait d'oublier certaines choses. L'impunité qu'il y a eu dans ce pays au moment où il gouvernait. Mhm. Il a oublié, mais il l'a rappelé dans son discours où il demandait aux Nigériens de parler sur la malgouvernance de 90 à aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui on peut, il peut qualifier quelqu'un de malgouvernance dans ce pays C'est ça aussi. Est-ce qu'aujourd'hui les Nigériens qui l'ont vu à l'œuvre peuvent croire en lui le soutenir C'est ça aussi la deuxième question. La troisième question, la malgouvernance dont il parle, on l'a vécu à ces temps. Et comment est-ce qu'il va faire pour mettre fin à tout ça, à cette malgouvernance Comment est-ce qu'il va mettre fin à cette impunité Comment est-ce qu'il va mettre fin à la corruption dans ce pays Si autour de lui déjà, il y a ceux qui sont déjà des corrupteurs et des corrompus. Mais c'est le droit constitutionnel c'est un droit, en tout cas pour lui, d'être candidat mhm. et d'espérer être aujourd'hui président de la République du Niger. Personne ne peut l'empêcher. C'est Dieu seul qui peut empêcher à un individu de ne pas être candidat ou bien de ne pas être président, élu président de la République. Tout ce que nous lui souhaitons, c'est bonne chance et que peut-être que les choses vont s'arranger petit à petit. Les Nigériens aussi <laughs> vont essayer de voir l'homme, de découvrir l'homme, parce qu'ils n'ont pas eu peut-être assez le temps de découvrir l'homme quand il était aux commandes. garé l'a dit, il était venu par les armes. Maintenant, c'est différent. C'est les jeunes qui vont faire la différence, qui vont juger de cette personnalité qu'on a aujourd'hui devant nous. Et peut-être, je dirais également, il a mille astuces. parce qu'aujourd'hui, <laughs> parce que il a goûté à la politique en devenant civil. <laughs> c'est certainement qu'il a des tours aussi à jouer. Et peut-être que c'est les alliances que nous allons voir de par-ci, par ci par là parce que les partis qui se créent à six mois ou à un an des élections présidentielles, ne vous attendez pas à ce que le candidat soit aujourd'hui élu président, mhm. mais soyez sûr que ce candidat va s'allier derrière, mhm. en tout cas, celui qui fera la force pour le premier tour. Nous abordons le deuxième sujet du forum. Plusieurs fronts de l'opposition nigérienne ont rendu public une déclaration de presse sur la situation socio-économique du pays. Même Brigado, euh, que mm. faut-il retenir de cette déclaration de ah, l'opposition politique Cette déclaration, <laughs> moi je pense que l'opposition politique, ça fait est tellement agité par des déclarations. Si je me rends compte, c'est en deux semaines, ça fait deux déclarations déjà de sortie de l'opposition. Mais est-ce que aujourd'hui, parce que j'ai vu, j'ai vu un peu le contenu de la dernière déclaration où il demandait la dissolution de euh, la Cour constitutionnelle, la dissolution de la CENI, parce que pour euh, l'opposition jusque-là, la CENI n'est pas une CENI valable qui est apte pour aller aux élections, euh, une CENI pour laquelle peut-être ils peuvent faire confiance. Jusqu'à présent, c'est une CENI illégitime selon cette opposition. Mais est-ce que réellement l'opposition est en train de faire, de jouer son rôle C'est ça qu'il faut se poser. Parce que de déclaration en déclaration, personne ne voit euh, concrètement ce que l'opposition est en train de faire. Est-ce qu'aujourd'hui, il suffit tout simplement de, que je m'assoie devant ce micro et puis demander la dissolution de la CENI et vite fait, ça va se faire Ou bien la dissolution de la Cour constitutionnelle parce que c'est moi, je suis de l'opposition, je suis opposition, je parle, peut-être que ça peut se faire. Non, mais ce que l'opposition oublie, c'est que ces gens-là, ces populations qui ont confiance à l'opposition, mmh. veulent que l'opposition sorte de ce silence ça veut dire qu'ils attendent beaucoup de, mouvements de, la part de l'opposition. L'opposition n'a qu'à se mettre dans la peau de celui qui dirige aujourd'hui quand il était à l'opposition. Comment les choses se sont passées, les mouvements qu'il faisait, comment est-ce qu'il arrivait à tenir tête à un président, au, au président Tanja en son temps, comment est-ce qu'il a fait fléchir à un moment donné cette classe politique qui était devant euh, devant lui. Mais c'était, c'est ça l'exemple en fait de, l'opposition. Aujourd'hui, c'est la société civile qui joue le rôle de l'opposition. Quand vous regardez qui sont en prison, c'est les acteurs de la société civile. Mais est-ce que vous avez entendu, à part euh, peut-être les opposants qu'on avait arrêtés pour euh, des affaires et autres, vous avez entendu un autre opposant qui se trouve aujourd'hui en prison, qui était dans une marche où on l'a récupéré parce qu'il marchait euh, anticonstitutionnellement, mm-hmm. on l'a arrêté. Non. Mais je pense qu'aujourd'hui, même ceux qui sont de l'opposition, même ceux qui croient à l'opposition, ont commencé à véritablement se poser des questions, à véritablement être... Euh, euh, ils n'ont plus, en fait, l'envie ou l'amour d'écouter ces déclarations de l'opposition. Parce que quand tu regardes ces déclarations de l'opposition, tu te dis, mais est-ce que c'est parce que c'est à peu près la même chose qu'il vous sert. Mhm. C'est la même chose, c'est les mêmes sorties médiatiques. Il n'y a rien qui est ajouté à cette déclaration. Il n'y a rien comme mouvement qui va dire levez-vous, peuple nigérien, il est temps que nous, on s'assume devant euh, peut-être euh, ce qu'on appelle de, de, euh, mal gouvernance ou quelque chose. L'opposition, tout le monde a décrié ici l'affaire du ministère de la Défense nationale. Mais qu'est-ce qui a été fait au niveau de l'opposition Rien. Et je pense qu'aujourd'hui, le chef de file de l'opposition, Hamamadou, doit être vu sur la scène. Il a déjà fini de purger sa peine. Je ne sais pas ce qui le retient aujourd'hui. Pourquoi il ne sort pas lui aussi euh, pour venir, ne serait-ce que donner un plus cette opposition, parce qu'on pense que quand on regarde, on dirait que l'opposition est perdue. L'opposition est perdue dans ce combat. Six mois des élections, qu'est-ce que l'opposition va faire à six mois des élections si aujourd'hui on a une opposition qui se contente seulement de, des micros des journalistes pour venir parler C'est ça, en fait. C'est très inquiétant une opposition doit jouer son rôle dans un pays où il pense qu'il y a la corruption, il pense qu'il y a la malgouvernance, il pense qu'il y a tout de cela. L'opposition doit être ici pour fléchir, en fait, ne serait-ce que avoir, euh, euh, fléchir le pouvoir en face pour lui dire arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Nous ne sommes pas là, nous n'allons pas arriver à là. Mais c'est très différent de ce que nous voyons maintenant. C'est très différent des oppositions que nous avons vécues, que nous avons vues à l'œuvre dans les années antérieures. C'est très différent de cette opposition. Monsieur Garé, qu'est-ce que vous avez retenu de la déclaration de l'opposition Bon, <laughs> je, n'irai retenu de nouveau. C'est-à-dire que, mm. comme l'a dit Memouna, c'est toujours la même chose. C'est vraiment les propos redondants. On répète, c'est la litanie de oui, oui, euh, Gabéji, blablabla, blablabla, blablabla. À la fin, bon, on dit eh, soyez, eh, restez prêts à tout monde Oui, c'est bien joli, mais, mais, pour moi, aujourd'hui, l'opposition, il n'y a pas de. Eh, elle n'offre pas de perspective sur le plan politique. Vous voyez, par exemple, par, rapport à l'exigence de la dissolution de la CENI. Mhm. Non, on est à six mois des élections, ce n'est pas la CENI qu'il faut dissoudre. Il faut demander un réaménagement de la, de CENI, si vous voulez. Demander un réaménagement pour que ça puisse correspondre. Pas la dissolution, pas pour qu'on recommence les, choses encore comme, comme de rien n'était, qu'on aille à zéro. Non, si on n'a pas le temps. Demandez un réaménagement. La Cour constitutionnelle, demander un de la Cour constitutionnelle pour qu'elle puisse euh, correspondre à ce que vous voulez. Ça, voilà, c'est responsable. Mais vous demandez à ce qu'on dissolve tout, alors qu'on est dans un processus à six mois des élections, c'est irresponsable pour moi. Ce n'est pas, c'est pas une attitude défendable. Et comme elle a dit, Mimouna, mhm. les militants aujourd'hui sont désemparés. <coughs> Parce qu'aujourd'hui, l'opposition, c'est quoi sa particularité c'est que bon, on se retrouve le soir euh, au niveau du bureau de l'OMANA et puis on cocte une déclaration, on lit, on lit, on lit. Aujourd'hui, mais personne n'écoute. C'est-à-dire qu'on sait déjà, si je vous dis, le contenu, on sait déjà. Mhm. Si maintenant je vous dis que, eh, par exemple, dans une semaine, le va faire une déclaration, je peux ici sur le plateau vous dire ce qu'il va dire, point par point. Point par point, je vous dire ce qu'ils vont dire. Donc, vous voyez, c'est trop, trop prévisible leur, mhm. comportement. Non, euh, offrez une alternative. Qu'est-ce qu'on doit faire À six mois des élections, des, élections c'est irresponsable de dissoudre une commission électorale. Ce n'est pas possible. Vous le savez très bien. Alors demandez à ce qu'on réaménage cette, cette commission-là pour que ça puisse, pour qu'on puisse vous intégrer un peu plus si vous voulez. Ça, c'est faisable, ça, c'est responsable. Demandez à ce que la composition actuelle de la Cour constitutionnelle, qu'on puisse la revoir si vous voulez. Vous comprenez mhm. Dites que, bon, ah, euh, le, fait que la, composition de la Cour, il faut qu'elle soit revue, qu'elle soit comme ça, comme ça. Ne demandez pas qu'on dissolve toutes les institutions, mais qu'est-ce que ça veut dire ça, C'est aussi ça qui. C'est dans la même veine que leur, précédente exigence qu'ils ont laissé tomber parce que c'était tellement ridicule. La conférence nationale, une nouvelle conférence France nationale souveraine. Les gens ont tellement rigolé, ils ont laissé tomber ça. Maintenant, on est dans un autre registre. Non. Offrez des perspectives. Et puis, il faut convaincre vos militants. Comme l'a dit même, les militants sont désemparés. Mais, mais est-ce qu'il y a l'opposition Effectivement, entre l'opposition qui avait été menée, par exemple, contre le pouvoir de Tanja et cette opposition-là, il n'y a pas match. Non, il n'y a, pas match. C'est complètement différent. Mm. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est des, gens qui n'ont aucune, euh, qui n'offrent pas de perspective et on s'interroge. Mais est-ce que réellement ils veulent aller aux élections Mais pour moi, que à leur sein, il y a un jeu de dupes. Vous savez, il y a beaucoup de leaders de, ces partis politiques de l'opposition qui se sont fait enrôler et qui ont fait publier sur les réseaux sociaux les images de leur enrôlement. Donc, ils vont participer aux élections. Donc, il y a même qui ont qui, étaient sur le terrain pour sensibiliser leurs militants à aller s'enrôler. Donc, en, mhm. fait, ils sont ensemble, mais les gens, ils jouent à malin malin entre, entre eux. C'est-à-dire, eh, il y a des gens qui jouent un faux jeu les uns envers les autres. Vous comprenez On entraîne les gens sur un terrain, alors que nous, on sait que nous, on va être candidat, on va participer aux élections. Mais alors, c'est celui qui se laisse avoir qui va se faire avoir. Donc, j'ai dit, il faut que les gens soient, responsables. Mais, quelque part, j'ai senti une lueur dans la déclaration parce que quand l'opposition dit euh, euh, elle, des élections libres et transparentes, ça veut dire que l'opposition est prête à participer aux élections. Et c'est déjà quelque chose de gagné pour moi. Parce que ce n'était pas ça avant. Vous comprenez Elle existe des élections libres et transparentes. Ça veut dire que, bon, ils sont dans la perspective, en tout cas dans la dynamique d'aller vers les élections. Et c'est déjà pas mal. Mais c'est pas le choix. Monsieur Issa, par rapport à la déclaration de l'opposition je suis là devant un micro, je parle. Ça va changer quoi Les gens vont m'écouter tout au plus, ils vont analyser, commenter ce que j'ai dit. Voilà la situation dans laquelle se trouve l'opposition. La déclaration de l'opposition la dernière fois, moi j'ai fait le déplacement. Je suis allé. Il y a des gens qui m'ont interpellé, des jeunes comme y compris des responsables, dont des députés. Je leur ai dit clairement, si c'est chaque fois, dit, nous avons une déclaration, nous, allons, nous exigeons, Je dis, vous n'allez rien obtenir dans ce pays-là. Rien, absolument rien du tout. Vous allez rester comme ça, vous allez faire vos déclarations là. Les gens sont fatigués. Il y a des jeunes qui m'ont dit qu'ils sont fatigués mhm. de, cette situation et ils veulent que l'opposition mène des actions. Vous voulez quelque chose, ça ne se gagne pas. Dans tous les cas, de manière pacifique même, vous pouvez gagner des combats comme l'a fait Gandhi, mais vouloir se retrancher. J'ai dit, bon, quand j'ai quitté, j'ai dit, mais la prochaine déclaration, là, c'est pour quand <laughs> C'est pour quand la prochaine déclaration Parce que je sais que... Il y aura une prochaine déclaration. pour répéter peut-être la même chose, les mêmes choses. Je dis, c'est pas comme ça qu'on gagne une bataille ah, sur le terrain politique, sur n'importe quel terrain d'ailleurs. Ça s'arrache. Ce n'est pas en venant avec des basins à me donner. Vous rentrez, vous vous asseyez, on, change tellement, on, met tellement, il faut. n'est pas comme ça qu'on gagne les batailles. J'ai dit, ou bien vous vous mouillez, vous descendez sur le terrain pour mouiller le maillot, ou bien vous allez rester comme ça de temps en temps. j'ai compris quelque chose. Vous vous débarrassez de que, ce que j'ai compris, c'est que bon, les gens ne veulent pas perdre leurs avantages et privilèges. Il y en a qui sont dans le système, ils trouvent à manger. Mhm. Et ce n'est pas des petits sous, c'est, ils considèrent que ça peut continuer. bon, le, pauvre type qui doit se lever le matin pour aller chercher son, son, son pain, il ne va pas descendre à votre place pour aller se faire bastonner ou vous descendez vous-même devant, ou bien vous restez dans vos, comment vais-je dire, vous avez vos avantages et tout, vos privilèges, vous, considérez que c'est déjà bien. <laughs> Les pauvres types là, ce sont vos militants. Ils ne sont pas prêts à aller se, sacrifier pour vous. Hein. <laughs> Voilà ce que je Moi, je pense que c'est l'opposition même qui a besoin de réaménagement technique. <laughs> Ça, c'est l'opposition. Le troisième et dernier point de ce forum de la presse, le ministère des Transports, dans un communiqué en date du 25 euh, juin 2020, rappelle aux détenteurs de permis de conduire en carton qu'ils ont jusqu'au 14 juillet 2020 pour le renouvellement de leur permis sous le nouveau format biométrique. Que pensez-vous de ce délai, M. Gary Oui, pour moi, ce délai est extrêmement court pour moi, c'est pas un délai qui peut permettre aux gens, en tout cas, euh, de, pouvoir faire cette formalité-là dans l'État. Vous savez, d'abord, il y a une première chose, on est à l'approche de la fête. Les gens, aujourd'hui, le souci, c'est de, se procurer le mouton, là, le tabaski, et puis le, euh, souci de la, carte. Dans tous les cas, l'ancienne carte, jusqu'à ce que vous, vous la renouveliez, l'ancien permis plutôt, l'ancien permis, il est toujours valable. Donc, euh, pourquoi amener justement à fin juillet Moi, je pense qu'on peut aller jusqu'à la fin de l'année. Déjà, il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Hein. Il n'y a que peu de personnes qui l'ont pas. Donc, mm. il faut rallonger. Ce n'est pas la peine de mettre la pression. Vous comprenez Rallonger, permettez aux gens d'être, d'avoir plus de souplesse à le faire. Eh, mais le 15, c'est dans deux semaines. Mais alors, dans deux semaines, ça veut dire que ceux qui n'ont pas le permis biométrique, ça veut dire qu'on va arrêter leur véhicule ça veut dire que tous ceux qui. Mais Et si ça crée une, totale confusion au niveau de la circulation à Niamey, comment ça va se passer Est-ce qu'on peut immobiliser l'ensemble des véhicules qui n'ont pas de permis biométrique à la date du 15 Non. C'est-à-dire repousser le délai. Mais d'ici trois mois, si vous voulez, d'ici trois mois, ceux qui n'ont pas fait, voilà, voilà, voilà. Ça laisse le temps aux gens. Vous comprenez Mais ce n'est pas la peine de mettre un délai court pour que les gens partent se bousculer au niveau de, de, la société qui, fait, qui confectionne le permis biométrique. Non. Ce n'est pas ça la, solution. Vraiment, il faut euh, aider les citoyens à pouvoir supporter euh, la charge de, de, la, confection de ce permis-là. Parce que déjà, les gens, comme je l'ai dit, ont payé pour avoir le permis, le permis rouge. là. Mhm. Maintenant, on leur dit encore qu'il faut payer. Ils disent, bon, d'accord, il n'y a pas de problème, on va payer. Mais il faut, il faut rendre la situation un peu plus souple pour qu'ils puissent payer au moment où ils le peuvent, vraiment sans stress et sans pression. C'est tout ce que j'ai dit. Mhm. Mouna, est-ce que donc, tous les détenteurs de l'ancien permis sur l'ensemble du pays puissent avoir donc, leur permis biométrique avant cette date Impossible. Ça, c'est impossible. Et puis, euh, je pense que, comme Garel a dit, il faut alléger les choses. Déjà, la situation des permis biométriques, c'est par par gaieté de cœur que les Nigériens ont accepté déjà cette société mmh. qui se mmh. trouve ici aujourd'hui. Donc, aller pour dire encore deux semaines, le délai, le délai est trop court. Et quand vous regardez en une semaine ou un mois, dans le même mois, le ministère des Transports a fait deux communiqués. Déjà, il y a la réimmatriculation des véhicules qui vient à terme au niveau euh, le 31 juillet ou 30 juin, qui vient à terme, mhm. c'est le délai. Et on vient, on rajoute encore pour le permis biométrique. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation, ce sont eux qui disent Covid-19. Mhm. Mhm. Nous sommes dans une situation. La situation financière est critique. Mhm. Même si, par exemple, il y a d'autres qui, qui, ne trouvent pas d'inconvénient aujourd'hui à payer de l'argent pour euh, l'immatriculation des véhicules et en même temps aller faire le permis biométrique. Moi, je pense que quand on regarde le Nigérien aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une situation financière très critique. Les gens ont besoin de quoi survivre un peu après Covid-19. Les gens, les populations, aujourd'hui, on va vers la fête de Tabaski. Vous connaissez ici au Niger. Quand on dit fête de Tabaski, comment les moutons coûtent cher, excessivement cher. Donc il te faut mettre de l'argent pour aller acheter ton mouton. Même si c'est un petit mouton, il faut l'acheter de toutes les manières. Il y a également <laughs> la rentrée scolaire. Il ne faut pas oublier il y a la rentrée scolaire. Il faut déjà préparer également la nouvelle rentrée scolaire pour ses parents. Donc, je pense que aujourd'hui le permis biométrique là, on peut aller jusqu'en fin d'année. Laissez les gens souffler un peu de toutes les mille manières au niveau de cette société. Quand tu pars le matin, tu vas rencontrer de très bons citoyens qui sont en train, qui font là-bas pour faire euh, leur permis biométrique. Il y a rien, rien ne presse en fait. Rien ne presse. Finissons d'abord avec la réimmatriculation de ces véhicules avant d'attaquer <laughs> euh, ces permis biométriques. Il faut laisser les gens vraiment souffler. Moi, c'est ce que vraiment je peux dire par rapport à cette situation. Hussein Issa, êtes-vous d'accord avec euh, Garé et Memou sur le prolongement du délai Je suis entièrement d'accord. D'abord, je suis contre. <laughs> Aussi bien pour l'immatriculation que pour le permis, là. Je suis contre. Qu'on vienne imposer des gens. Le permis que j'ai, gelé dans la décennie 90. <laughs> quelqu'un vienne me dire que mon permis, là, n'est plus valable. Qui m'a donné ça Ce n'est pas le ministère de Transport quelqu'un vienne avec ses, je sais pas, appareils mhm. pour dire non, non, non. Il faut payer encore. Il faut payer encore de l'argent et qu'on me dise que le, permis, c'est un diplôme. C'est un diplôme, hein, le permis. Il y a beaucoup de gens qui vivent de ça. Mhm. Tous ceux qui font le transport et tout et tout, qu'on leur dise que non, non, le permis que j'ai eu depuis plus de 20 ans, voire 30 ans, on va me dire aujourd'hui que ce permis-là n'est pas valable, quelqu'un va venir s'installer dans un bureau non, il y a un problème dans ce pays. Il y a un problème et ça monte un peu, comme avait dire, euh, le comportement des citoyens. Ils ne refusent pas. Non, cette histoire de plaque d'immatriculation là, mais non, non, la plaque qu'il y a sur ma voiture avant, moi je peux comprendre qu'on me dise bon, ok, toi les anciennes plaques sont valables, les nouvelles qu'on veut mettre en place aussi sont valables. Le permis que j'ai là, Mhm. Quand quelqu'un me dise que non, c'est fini, il faut que je tel des... Non, non, non. Non. Non, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Il faut que j'aille donner de l'argent. Non, ça pose un problème dans ce pays. Hein, non, hein. renouvelable. Chaque 10 ans. Chaque 10 ans, renouvelable. Mon Dieu répondu. C'est pas le, le, même État qui, m'a donné, qui m'a octroyé le permis après avoir passé le test et tout et tout. Et qu'on vienne me dire, il faut que les gens arrêtent. On va amener quelqu'un qui va venir s'installer avec quelques machines, quelques appareils, pour dire, celui, il va faire biométrique par rapport à quoi. que, est-ce que le permis que j'ai, qui a combien d'années là, est-ce que eh, en quoi on peut considérer biométrique par rapport à quoi Plaque, permis. On va arriver à un niveau où on va dire même l'acte de naissance là. <laughs> Il faut aussi mettre ça en biométrie. Ou le, certificat de nationalité. Quelqu'un va venir s'installer pour dire que celui qui va faire l'acte de naissance, tous ceux qui ont un acte de naissance, il faut qu'ils les renouvellent. Il faut qu'on arrête. Les citoyens sont pauvres les gens n'ont pas d'argent, les gens cherchent à manger, que des gens viennent s'installer comme ça à gaillac demain. C'est pas possible. <laughs> voilà, nous sommes donc euh, au terme de ce forum euh, de la presse euh, du studio Kalongo. Merci à nos invités. Même Giado, journaliste à la radio et télévision en Tambra. Gare Amadou, journaliste au quotidien La Nation, et Ousseini Issa, journaliste freelance. Je vous rappelle euh, le rendez-vous hebdomadaire du programme des jeunes euh, samedi et dimanche euh, dès 17h avec l'actu des jeunes en cinq langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, le forum en Hausa sur les milices d'autodéfense et le dimanche, le forum en Germain sur l'impact économique COVID-19. La régie son est assurée par Issa Lawali, la régie vidéo Mustapha Ayouba.